forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré à la recrudescence du phénomène des violences faites aux femmes. Dans un premier temps, nous allons échanger sur les causes et les différentes formes de violences faites aux femmes. Ensuite, dans la seconde partie, nous parlerons des conséquences des violences, des violences faites aux femmes. Et enfin, dans la troisième et dernière partie de ce forum, nos invités vont proposer des pistes de solutions à envisager pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes. Avec nous pour développer euh, ce sujet, Alzuma Traoré, il est chargé de programme au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Alzouma Traoré, bonsoir. Bonsoir. Hajia Halimatu Jibo, animatrice au niveau de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Hajia Halimatu Jibo, bonsoir. Bonsoir. En ligne, nous avons également Kombari Naloti, il est sociologue. Kombari, et bonsoir. Oui, bonsoir, euh, Radio Kalangou. en milieu rural comme en milieu urbain, dans les sphères de la vie publique ou de la vie privée, les femmes subissent diverses formes de violence avec tout ce que cela implique sur le plan moral, physique et économique. Cependant, un peu de cas de violence faites aux femmes finissent devant la justice, particulièrement ici où sont fréquents les divorces et les mariages précoces. Alzuma Traoré, chargé de programme au niveau de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, comment définissez-vous la violence. La violence euh, peut être définie comme étant toute euh, action, en tout cas, qui vise à nuire donc euh, à la femme ou à l'enfant, donc qui vise à porter atteinte soit sur son sur son psychisme, sur son physique, ou alors tout simplement de la privation de certains droits donc qui sont reconnus être euh, des droits de la femme ou de l'enfant. Donc euh, c'est vraiment une, une réponse euh, ou du moins une définition un peu généraliste qui prend en compte tous ces aspects-là. Du moment où la personne qui devrait bénéficier d'un certain nombre de droits se trouve privée, donc il y a une forme de violence. Du moment où aussi on utilise la force ou sa position sociale ou politique en tout cas pour faire des injonctions sur une personne, ça aussi c'est une forme de violence. Donc vraiment la, définition de la violence c'est un peu euh, général. Alors euh, Alzuma Traoré, chargé des programmes au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, comment, euh, quelle est la situation des violences faites aux femmes au Niger Bon, au Niger, la situation des violences aujourd'hui, en tout cas, ça va de plus en plus, en tout cas, ça s'affirme au niveau de pratiquement toutes les régions, les statistiques que nous avons. C'est un phénomène, en tout cas, qui va en, crescendo. Donc, euh, malgré tous les efforts que les uns et les autres sont en train de faire, mais nous constatons que ce phénomène de violence ne fait que euh, aller de l'avant et aussi d'autres formes de violence même qui, sont en train de se manifester aujourd'hui. Donc là, vraiment, je pense que c'est quelque chose de très inquiétant pour notre société. Haja Halimatou Jidou, quand, dit-on qu'il y a violence à l'égard de la femme Ok, merci. Donc, euh, il y a violence sur la femme. Eh, Elle l'a si bien dit, quand il y a atteinte à son physique, ce qu'on appelle généralement coups et blessures. Donc, euh, euh, il y a la torsion dans les couilles, et blessures, il y a la morsure, il y a les gifles. Donc, euh, tout ce qui est atteinte à la chair, qui peut faire sortir du sang ou aux os, donc tout ce qui fait atteinte au physique d'une personne, donc euh, on appelle ça violence physique. Il y a les violences psychologiques qui, qui atteignent directement le cerveau, telles que les intimidations, les harcèlements, et il y a aussi les façons de, de, traiter les personnes, atteintes à sa dignité, et tout ça donc euh, rentre dans le cadre des violences psychologiques. Nous avons les, les violences socioculturelles. Donc, euh, dans les violences socioculturelles, vous avez le mariage précoce, le mariage forcé, le mariage des familles, vous avez le rapt, vous connaissez le rapt, ce que font les peuls. Les enlèvements. Les enlèvements des filles. Et il y a le scarifiage, il y a le gavage des femmes et beaucoup d'autres choses que nous sommes en train de recenser aujourd'hui qui rentrent dans le cadre des violences socio-économiques. toutes ces genres de violences sont punies par la, loi Oui, c'est bien puni par la loi, on en parlera. Donc nous avons les violences sexuelles, vous avez le viol, le rapport contre nature, vous avez les, le harcèlement donc l'attouchement au physique de la femme qui rentre dans le. Et vous avez l'inceste aussi, qui font partie des violences euh, sexuelles. Vous avez les violences économiques, quand on empêche à la femme de mener des activités économiques. Quand on dit qu'une femme n'a pas droit à la terre par rapport à l'héritage dont elle, elle a droit, vous avez aussi les violences politiques où on nous empêche de poser nos candidatures, où on nous empêche d'aller voter, où on nous empêche d'avoir au minimum les papiers civils tels que les certificats de mariage, l'acte de décès, l'acte de mariage, tout ça là, l'acte de naissance. Et donc, euh, nous avons recensé six formes de violences qui sont là aujourd'hui, qui prennent du terrain. Vous allez le constater et vous êtes même en train de le vivre vous-même. Et donc il y a le, cadre qui est là. Donc au niveau de SOS, nous sommes en train de recenser. Au départ, nous sommes partis juste au niveau des coups et blessures. Et plus on avance, plus on se rend compte, on se rend compte que les violences, en tout cas, elles sont de différentes catégories. Aja Halimatu Jidou, parmi tous ces cas de violence cités, on n'a pas attendu euh, le viol. Si, si, si, j'ai parlé du viol que vous ne m'avez pas saisi, ça rentre dans le cadre des violences sexuelles. Alzuma Traoré, vous êtes, chef, euh, vous êtes euh, euh, le chargé du programme au niveau du SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Quels sont les autres types de violences qu'on retrouve au Niger particulièrement Bon, la dernière étude sur l'ampleur et les déterminants des violences basées sur le genre au Niger donc, a fait une classification selon cinq types de grandes, de, classifications, à savoir la violence psychologique, comme elle a eu à le dire, la violence physique, la violence culturelle, la violence économique et la violence sexuelle. Donc voilà les cinq grandes catégories de violences qu'on rencontre. Maintenant, au sein de ces cinq grandes ensembles, c'est à, leur sein maintenant qu'on trouve certains détails. Par exemple, quand on prend violence sexuelle, Haja euh, Ali Maladi, c'est là où on retrouve le viol. Et quand on prend les violences culturelles, c'est là où on trouve le mariage des enfants et les coups et blessures. Donc euh, là, c'est dans les violences physiques. Les violences psychologiques, maintenant, c'est la forme la plus insidieuse et qui est pratiquement une forme invisible, mais qui aujourd'hui, selon toutes les statistiques, donc, euh, est la forme la plus rencontrée. Parce que vous voyez, et quand une femme est victime aujourd'hui de violences physiques, la violence psychologique est là. Quand elle est victime de violence culturelle, la violence psychologique est là. Quand elle est victime de violence sexuelle, la violence psychologique est là. Donc voilà pourquoi la violence psychologique aujourd'hui, en termes de statistiques, est la forme la plus rencontrée, en tout cas au Niger. Mais cela ne veut pas dire aussi que les autres formes ne sont pas, euh, ne sont pas euh, rencontrées ou alors n'ont pas, pas une grande ampleur. Donc là, je pense que toutes les formes de violence qui ont été répertoriées euh, se rencontrent au Niger aujourd'hui. Nous avons toutes ces formes de violence que Hajia vient de citer. On les rencontre dans la vie quotidienne de, beaucoup de femmes et de beaucoup d'enfants. Kombari Naloti, à présent, quelles sont les causes de toutes ces violences commises à l'égard de la femme merci beaucoup euh, Radio Kalangou de m'avoir euh, interrogé sur ce point. Donc, avant d'arriver aux causes, d'abord, euh, permettez-moi de d'énumérer différents types de causes d'abord. Allez-y, allez-y. oui, j'arrive d'abord. Donc, d'abord, la violence, la, violence du point de vue sociologique, c'est d'abord le fait de ou bien l'insatisfaction des besoins prioritaires de la femme dans le foyer. Donc, ce qui, ce qui nous conduit à relater les, les différents types de violences. Par exemple, il y a la violence sociale qui consiste à refuser d'abord d'habiller, de nourrir, de soigner ou d'éduquer la femme ou d'aider la femme en cas, en cas de besoin. Il y a aussi le fait de refuser un certain nombre d'opportunités à la fille ou bien à la femme. Par exemple, quand vous prenez dans le monde rural, certaines filles à un certain niveau d'études, on les empêche de continuer leurs études pour leur mari à d'autres hommes. Là aussi, c'est de la violence. Il y a aussi une autre, type de, une autre catégorie de violence, qui est cette violence d'héritage, de, que d'ailleurs même quelqu'un vient d'énumérer ça. Là aussi, vraiment, ça rentre dans le cadre de la violence sociale. Il y a aussi euh, la violence physique qui se traduit par euh, euh, une atteinte au physique de la fille ou bien de la femme dans le couple. Il y a aussi la violence psychologique qui se traduit par des insultes, par des mépris ou bien par des actes blasphématoires envers la femme. Tout le monde aujourd'hui, dans, les foyers ou bien dans la campagne, tout le monde aujourd'hui, toutes ces violences sont courantes. Il y a aussi la violence financière que vivent beaucoup de femmes aujourd'hui dans le monde rural ou, ou, même dans le monde urbain, qui se traduit par le fait de refuser catégoriquement de donner de l'argent à sa femme pour la satisfaction d'un certain nombre de besoins, ou même de l'empêcher d'exercer une activité générative de revenus lui permettant de satisfaire à, elle seule euh, ses, propres besoins. Là aussi, c'est une autre violence qui est là. L'autre type de violence, c'est le viol. Là, c'est l'exploitation sexuelle de la femme contre son gré, puisque souvent, vous savez, les femmes peuvent souvent être malades ou bien être fatiguées, donc, et certains maris ne comprennent pas. Le fait d'aller envers elles constitue aussi Une violence là aussi. Donc voilà les différents types de catégories de violence Il y a aussi le divorce. Le divorce aujourd'hui aussi est considéré comme étant une violence. Puisque aujourd'hui, quand on vit dans un couple, aujourd'hui par mésentente, le couple se sépare là aussi, se devenu une violence. Puisque la femme de son côté, elle est violente Elle n'est plus euh, dans son foyer, aussi de l'autre côté, la société, l'image, elle est ternie. Et elle se retrouve avec une image négative de la société. Là aussi, c'est une violence. Donc voilà les différents types de, de, violences que nous, nous constatons dans, la société aujourd'hui. Donc par rapport à, aux causes, par exemple, quand nous prenons par exemple la violence sociale, le fait de refuser ou d'habiller, de nourrir ou de soigner ou d'éduquer la femme peut être dû par exemple souvent à la pauvreté ou bien le fait de, refuser un certain nombre d'opportunités à la femme, par exemple le, cadre de, l'héritage ou de l'école. Cela est dû souvent aussi à des causes culturelles. Aujourd'hui, quand vous prenez la religion qui dit que au niveau de l'héritage, l'homme doit avoir deux parts, alors que la fille a, une part. Est-ce que vous voyez Au niveau de l'école aujourd'hui, aujourd'hui, c'est des raisons culturelles qui font en sorte que beaucoup de filles n'ont pas eh, accès à des niveaux d'études. Là aussi, c'est des causes. Là, voilà au niveau des causes, euh, comment on appelle ça, de la violence sociale, la cause. Elle est culturelle et religieuse. Maintenant, par rapport à, la violence euh, physique, elle peut avoir pour cause souvent eh, un certain nombre de comportements dus au conjoint ou à la conjointe. Aujourd'hui, une fille qui ne respecte pas son mari, ou, un mari qui se saoule, c'est normal qu'il y ait de comportement, de la violence physique, le mari qui se saoule ne se contrôle pas, ou la, femme ou la fille qui, ne respecte pas son mari, qui ne, prépare pas, ou bien qui, est censée satisfaire un certain nombre de besoins à son mari qui ne le fait pas, c'est normal qu'il soit violenté, physiquement et même psychologiquement. Là, ça c'est le comportement qui, qui est à la base de ce genre de comportement. Et par rapport à la violence financière, là aussi, ça peut avoir comme cause euh, le chômage ou l'insuffisance du revenu du conjoint. Si aujourd'hui un mari est au chômage, ou le revenu qu'il gagne est un revenu vraiment qui ne, lui permet pas de satisfaire un certain nombre de besoins, là vraiment la femme est confrontée à, euh, un niveau de violence financière que vraiment, vous voyez, on ne sait pas, on sait pas comment euh, le gérer que par l'obtention d'un emploi ou bien de, de quitter du gérer jusqu'à ce qu'on puisse avoir un autre emploi. Donc voilà, voilà d'une manière, euh, de manière globale. Et Kombari Naloti, sociologue, quelle est la part de la, de la responsabilité de la société dans toutes ces genres, de, toutes ces formes de violence que vous venez là de citer oui, la, la, société, la, responsabilité de la société, c'est c'est vraiment de, comment on appelle ça, de, par exemple, quand vous prenez la, euh, les, violences sociales, le fait de refuser d'habiller, de nourrir, de soigner, moi je pense que la société doit avoir une solidarité, une solidarité envers ces, différentes violences. La solidarité. Éviter, essayer de venir en à au couple en difficulté, en leur plein d'emploi, essayer les enfants avant d'arriver dans leur couple, euh, dans leur foyer plutôt, excusez-moi du terme, donc, est-ce que vous voyez Donc, la société a une, responsabilité, elle doit, être solidaire, venir en aide à ces difficultés. Et arrêter aussi l'exclusion, donc, euh, puisque l'exclusion, vous savez bien, elle a des conséquences comme les fistules. Tout ça, là, c'est des conséquences négatives. Donc, la société doit bannir toutes ses activités euh, en pensant au, bonheur de, de, de ses couples. Alzuma Traoré, chargé des programmes au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Vous venez là d'écouter le sociologue euh, Naloti euh, Kombari. quel commentaire bon, oui, tout à fait. Il vient de, citer quand même les différentes formes de violence que nous avons évoquées tantôt. Donc, dans nous, nous avons fait une classification globale donc de ces différentes formes, mais il y a certaines formes quand même qui se retrouvent dans ces, ces grands, ces grands paquets-là. Et autre chose aussi, il a évoqué le cas de, de divorce. Bon, nous, chez nous, on parle beaucoup plus tôt de, beaucoup plus de répudiation. Parce que le divorce, c'est vrai. La finalité, c'est la même chose, c'est la rupture des liens du mariage entre la femme et l'homme. Mais quand même, en tant que. Quand on prend par exemple le divorce, le divorce, c'est ce que la loi consacre. Ceux qui se marient aujourd'hui sous, sous le régime du Code civil, ils divorcent. Mais quand on regarde, nous, du point de vue coutumier, c'est la répudiation. Et la répudiation se définit comme étant euh, cette possibilité que la religion a donnée au mari de mettre fin au lien de mariage de manière unilatérale et sans autre forme de procès. Et c'est ça qui met à mal les femmes, c'est ça qui fragilise les femmes. Parce que euh, vous allez voir, quel que soit le problème de foi, même si le problème ne vient pas de la femme, mais l'homme, parce que tout simplement, il détient cela, il le fait. Et nous ne sommes pas contre euh, cette répudiation, parce que c'est quelque chose qui est quand même euh, prescrit par notre religion, par l'islam, et la répudiation, bien qu'on dit que c'est la chose la plus tolérée, la plus mais quand même que Dieu même ne veut pas qu'il y ait cette répudiation. Mais la répudiation, c'est qu'au Niger, elle n'est pas encadrée. Donc, euh, c'est ça aujourd'hui notre combat. C'est d'encadrer cette répudiation-là, c'est de créer les conditions pour que la répudiation se fasse dans, les bonnes, euh, dans une bonne situation, telle que donc, prescrit par euh, le Coran. Parce que dans le Coran, c'est vrai, l'homme peut répudier, mais quand même, c'est balisé il y a certaines dispositions qu'il faut prendre. Ça veut dire que euh, la loi coranique, la loi islamique n'est pas respectée euh, par nous autres. La loi coranique n'est pas respectée parce que on a nulle part on a vu dans le Coran là où on donne la possibilité à l'homme de maltraiter la femme. C'est tout simplement des interprétations que les gens que les gens font et tout simplement parce que les gens n'ont pas peur de la loi de Dieu, c'est tout. Alors, est-ce que les inégalités entre les genres peuvent être considérées comme étant source de violence Bon, les inégalités entre l'homme et la femme, c'est vrai, à, un certain, à certains niveaux, ça peut être euh, source de violence. Mais quand même, moi, je pense que euh, nous sommes quand même animés d'une certaine conscience qui nous permet de fois d'essayer de voir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nous. Et nous essayons toujours à nous en sortir. Et si l'autre a réussi, pourquoi pas moi Donc, vous voyez un peu, moi, je pense que ça dépend tout simplement des personnes, la manière d'aborder ces choses-là. Si Dieu a fait l'homme et la femme, et, euh, donc, c'est tout à fait normal que ces, êtres humains-là soient complémentaires. C'est pas pour rien qu'on se marie. Un homme aujourd'hui, bien que ça se fasse sous autres cieux, un homme ne peut pas marier un homme, une femme ne peut pas marier une femme. Même dans les pays des Blancs, aujourd'hui, vous voyez que c'est un sujet quand même qui n'est pas accepté par tous. Donc, vous voyez, Dieu a fait les choses de manière à ce que nous soyons complémentaires. Donc, maintenant, c'est à nous de créer les conditions pour que et cette complémentarité-là se fasse de manière vraiment saine, sans pour autant qu'il y ait des, problèmes. Maintenant, euh, on a dit, par exemple, il y a certains facteurs quand même qui contribuent, qui accentuent ce phénomène de violence, qui ne sont pas des causes, des causes profondes, mais quand même qui sont des facteurs qui contribuent. Par exemple, il avait parlé de la pauvreté. La pauvreté, c'est un facteur qui peut contribuer. Mais on ne peut pas être violent tout simplement parce qu'on est pauvre. Mais quand même, c'est quelque chose, c'est un facteur qui peut contribuer. L'alcoolisme, c'est un facteur favorisant, ce n'est pas une cause. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui boivent de l'alcool, mais qui ne sont pas violents. Donc, vous voyez, c'est des facteurs quand même que si nous essayons de voir aussi, et on peut quand même faire les choses de manière à ce que ça ne puisse pas porter préjudice à l'autre. Donc, euh, Aja Halimatou Jido, en milieu urbain, les fonctions publiques et administratives les plus importantes sont réservées aux hommes aux femmes euh, reviennent les fonctions qui sont le, le prolongement euh, de leurs activités au sein du ménage. En milieu rural, les femmes travaillent environ 16 heures par jour, un labeur essentiellement consacré aux tâches domestiques, euh, de la préparation des repas, de la corvée d'eau et de bois, de la transformation des produits agricoles, etc. Est-ce que cette situation constitue une préoccupation pour votre ONG Bien sûr. Euh, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, rien n'est reconnu à la femme. Bien que nous représentons plus de 50% de la population, en tout cas, tous les efforts que font les femmes ne sont pas reconnus. Donc si on ne reconnaît pas ces efforts-là, c'est normal aujourd'hui que les femmes soient un peu discriminées. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Que ça soit dans la fonction publique ou que ce soit dans les ménages en milieu rural, vous trouvez en tout cas cet, cet écart-là. Pourquoi Parce que on ne donne pas à la femme sa vraie place. Vous venez à la fonction publique, la femme, elle est venue avec son diplôme, avec un bagage intellectuel. Donc, on ne lui reconnaît pas ça. On cherche toujours à nous ridiculiser, à nous discréditer on, se demande des fois, est-ce qu'elle peut Mais du moment qu'elle a osé étudier jusqu'à un certain niveau, ça veut dire qu'elle peut. Mais on ne nous reconnaît pas ça. Et même si on ose nous donner les postes, on fait tout, tout, tout pour nous mettre les bâtons dans Même au sein des ménages, je vous assure. Faut pas voir les femmes qui ont les gros postes. Si au bureau, elles n'ont pas de problème avec leurs agents, ça veut dire que à la maison, quelque part, il y a quelqu'un qui lui empêche de dormir il y a quelqu'un qui lui met les bâtons dans Selon l'enquête sur les violences basées sur le genre menée en 2010 par l'Institut national de la statistique, les femmes sont surtout victimes de violences physiques 43%, ou sexuelle 28,3%, de violences culturelles avec les mariages précoces ou forcés 4,8%, de violences économiques avec euh, le non-accès à des ressources propres 6,6% et des violences euh, psychologiques comme euh, les insultes 17,1%. Alors, on va revenir vers vous, Alzuma Traoré au niveau de l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales, comment s'est fait la prise en charge des femmes victimes de violences Merci. Donc là, au niveau de l'ONG SOS euh, Femmes et Enfants Victimes de Violences, depuis 2010, donc nous avons mis en place un mécanisme euh, de prise en charge des, des victimes de violences basées sur le genre avec euh, l'appui donc de l'UNFPA. Ce mécanisme-là euh, nous permet quand même d'assurer euh, une réponse adaptée et globale à toutes les, victimes qui viennent chez nous. ça va de, la prise en charge psychologique à la prise en charge médicale, donc la prise en charge économique, donc avec la réinsertion socio-économique, mais aussi, mais aussi l'appui euh, un conseil juridique aussi qui nous permet, si la, survivante euh, veut aller au niveau des, juridictions, donc nous avons mis en place un, un, dispositif qui nous permet de les accompagner. Donc une façon de dire que euh, la prise en charge que nous faisons, c'est vraiment une prise en charge holistique. Donc nous faisons d'abord l'inventaire des besoins de la survivante qui vient et en fonction de cela, nous allons voir quel type d'appui lui apporter pour qu'elle puisse sortir de la situation dans laquelle elle est. Traoré Alzuma, quels sont les textes juridiques qui protègent les femmes contre ces violences Les femmes sont, euh, sont vraiment protégées parce que euh, le premier, d'abord, la loi fondamentale de notre pays, à savoir la Constitution, donc euh, déjà dans son préambule, donc affirme, s'affirme comme étant une garantie pour la femme, donc de lutter contre toutes les formes de violence à l'égard de la femme et de l'enfant. Donc ça, c'est la première chose. Après ça, nous avons aussi le code pénal nigérien qui prend en compte certains aspects des violences eh, faites à la femme et à l'enfant. Je dis bien certains aspects, eh, notamment les aspects concernant les, les coups et blessures volontaires, donc qui sont eh, bien entendu pris en compte dans le code pénal. Il y a aussi les mutilations génitales féminines qui sont aussi prises en compte dans le code pénal. Maintenant, le gros problème, c'est surtout au niveau de, euh, euh, de certaines violences culturelles, notamment le marais des enfants. Donc, à ce niveau-là, nous avons un certain nombre de difficultés quand même, tout simplement inhérent à la multiplicité des sources de droit au Niger. Et les textes aussi, il y en a, et il y a beaucoup de lois aussi, notamment la loi euh, portant organisation et, et des tribunaux pour mineurs là aussi, qui quand même a pris un certain nombre de dispositifs par rapport à, la prise en charge des, ou à la protection, si je peux le dire, des, enfants. Donc vous voyez, ce n'est pas les textes qui manquent au Niger. En tout cas, nous avons un national juridique qui nous permet quand même eh, d'assurer une protection pour tous, notamment pour les femmes et les, enfants. Mais le problème se situe surtout au niveau de l'application. je ne dis pas que eh, tout est pris en compte mais quand même, il y a certains aspects non moins importants quand même qui sont en train de, souffrir de manque de, textes juridiques dans notre pays. Haja Halimatou Jido, quels sont les auteurs de ces violences Les auteurs, c'est nous autres, êtres humains. Vous avez les femmes qui se font violence entre elles, qui peuvent faire des violences sur les enfants. Vous avez pour la plupart les hommes qui font les violences sur les femmes et sur les enfants. Donc, c'est. Et à la société aussi. Si vous prenez le mariage des familles, les mariages précoces, les mutilations, le scarifiage, c'est un don de la, de, de, la société. C'est aussi culturel, Hajia. Culturel, oui, bon, la culture, c'est nous autres. La société, c'est nous autres. Et vous avez l'État aussi. Parce que des fois, on ferme les yeux là-dessus. Et si aussi les lois ne sont pas appliquées telles qu'elles doivent l'être, ça aussi, c'est une forme de c'est un auteur de violence. Si l'État, en tout cas, je sais que l'État a, toutes les possibilités, a tous les pouvoirs pour appliquer la loi, si on ne le fait pas, si on ferme les yeux là-dessus, c'est une forme de violence aussi. Haja Halimatou Jido, chaque année, votre ONG organise les 16 jours d'activisme. Ça consiste à quoi concrètement Bon, c'est une occasion qui s'offre à tous les acteurs qui luttent contre les violences faites aux femmes il y a un cadre qui est là, donc nous avons toutes les associations et ONG qui luttent contre les violences à se réunir, à parler ensemble, donc à, organiser des activités. Si vous voyez par exemple la SOS, nous nous organisons, nous, avons un bureau d'écoute qui, qu'on peut déplacer, qui est itinérant, qu'on peut amener d'un endroit à un autre. Vous avez aussi des sensibilisations que nous menons. Nous menons aussi des dialogues entre les différents partenaires les, entre nous et nos partenaires financiers, entre nous et nos partenaires qui sont sur le terrain, entre les populations, nous organisons des dialogues. Et aussi, nous faisons aussi appel à nos victimes qui viennent faire des témoignages. Et il y a aussi des gens qui peuvent faire, venir, faire des récits, qui peuvent aussi aider, en tout cas, à trouver des pistes de solutions. Voilà, donc c'est un cadre d'échange pour tout le monde. C'est un cadre aussi, c'est une porte ouverte pour tout le monde, les séjours d'activistes. Alzuma Traoré, maintenant, quelles sont les conséquences de toutes ces violences faites euh, aux femmes pour le développement socio-économique pour un pays dit pauvre comme le nôtre Bon, d'abord, quand on prend euh, du point de vue des différentes formes que nous avons évoquées tantôt, euh, ça porte atteinte d'abord à l'intégrité physique donc de, euh, de la victime. Et surtout si on parle, euh, si on parle le cas des, violences physiques. Les violences psychologiques aussi, donc ça réduit un peu la capacité pour la femme à s'affirmer en tant qu'être aujourd'hui, en tant que euh, être, en tant que partenaire, en tant que personne en tout cas qui peut aussi contribuer à, l'édification de sa nation. Parce que quelqu'un qu'on dénigre à tout instant, quelqu'un qu'on essaie de, ridiculiser, donc vous voyez, psychologiquement, il ne peut plus être à mesure, en tout cas, de donner le meilleur de lui-même. Et ça peut aussi, le fait aussi de marginaliser la femme, tout simplement de ne considérer aujourd'hui que les hommes, parce que quand on essaie de regarder, vous avez, vous l'avez évoqué tantôt, la fonction publique, si on prend aujourd'hui les postes les plus importants sont tenus par les, par les hommes. Et c'est ça même qui nous a amené aujourd'hui à vouloir appliquer ce qu'on appelle euh, la loi euh, sur le quota. Parce que tout simplement, cette loi-là ne s'applique qu'à la femme. Parce que moi, jusque-là, je n'ai pas vu, en tout cas, quelque part où cette loi-là était appliquée aux hommes. Et même si cela est fait, en tout cas, ce n'est pas pour des postes importants. Donc, vous voyez, rien qu'à prendre aujourd'hui, vous allez prendre le, gouvernement d'un pays, vous allez voir que les femmes ne représentent peut-être qu'un cinquième ou un quart des, des membres du gouvernement. Est-ce que c'est un frein pour le développement euh, du Niger C'est un frein pour le développement d'un pays parce qu'aujourd'hui, on le dit, un pays qui ne peut que se servir d'un seul bras aujourd'hui, donc ne peut pas avancer. La femme représente un autre bras. Donc l'homme, la notre nation a deux bras, c'est les hommes et les femmes. Donc si on prend en compte un seul bras, vous voyez, donc comme on le dit euh, dans nos, dans nos langues, un seul, euh, une seule main ne peut pas, ne peut pas se laver seule. Donc vous voyez, euh, en, en mettant de côté les femmes, c'est comme si c'est une partie de la nation nigérienne qu'on met de côté. Donc par conséquent, on ne peut pas atteindre, on ne peut pas atteindre les objectifs de développement que nous nous sommes assignés. Donc, euh, c'est tout à fait normal. Donc, on le dit. Et du point de vue donc, de la fonction aussi, je l'ai dit aujourd'hui, si vous prenez euh, plus de 80%, 80 de l'effectif féminin aujourd'hui se retrouve au niveau de l'éducation et de la santé. Et là aussi, des postes pratiquement de, de, subalternes. Si c'est à la santé, c'est des infirmiers certifiés ou bien des, des, brevetés. Si c'est au niveau de l'éducation, c'est les instituteurs, adjoints. Donc vous voyez, alors que la femme aussi, quand on lui laisse en tout cas la possibilité de s'affirmer, elle peut aller loin. La femme, elle est animée de bonne volonté, elle est animée d'un esprit en tout cas de, euh, de critique. Elle peut apporter sa contribution mais c'est tout simplement quand on la laisse, euh, en tout cas, évoluer dans de bonnes conditions. Haja Alimatou Jido, vous êtes animatrice au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Parlez-nous un peu de votre collaboration avec la police. je voulais un peu revenir sur les conséquences. Allez-y rapidement. Donc, par rapport aux conséquences, nous avons remarqué qu'avec le mariage des enfants, la fille, si on la marie à neuf, 12, 13 ans. Il y en a deux, le premier jour des noces, quand on consomme le mariage. En tout cas, elles deviennent fistuleuses. Donc ce matin, j'ai eu une image qui est venue du Nigeria, une fille qui a été violée à 9 ans. Donc elle a perdu tellement de sang qu'il a fallu même à l'intérieur et à l'extérieur, il a fallu qu'on l'opère. Maintenant, j'ai suivi l'intervention d'un médecin qui dit, bon, cette fille-là, en tout cas ce qui est sûr, elle aura un problème plus tard, elle peut être frigide ou carrément être stérile. Vous voyez une des premières conséquences. Et, le, encore plus, quand elle sera euh, euh, enceinte, elle peut avoir un autre problème, c'est la fistule. Maintenant, la fistule, c'est à quatre niveaux. Vous avez d'abord une première fistule où, en tout cas, c'est la membrane qui communique avec les urines qui, qui, qui se déchire. Et là, ce sont les urines qu'elle. Une deuxième, Maintenant, c'est la membrane qui va vers l'anus. Maintenant, donc, elle ne pourra plus contrôler les selles. Et une troisième, maintenant, c'est les deux. Et c'est l'extrême. En tout cas, c'est la pire des, situations qui peuvent euh, arriver à cette femme-là. Ce qui est bon, et c'est pas réparable. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'on néglige ou il y a des choses dont on ne donne pas l'importance, mais qui gagnent du terrain aujourd'hui. Si une femme est fusillée, c'est que c'est une femme bon, qui a qui n'a plus de vie. C'est une femme qui est, qui est du moins bon, morte vivante. Parlez-nous à présent de votre collaboration avec la police. Avec la police, donc, euh, quand nous accueillons les femmes, nous les écoutons. Et bon, on demande d'abord à la femme ce qu'elle veut. Si c'est une femme qui est battue, blessée, on va demander à la femme d'abord si elle veut que la police intervienne. Si elle ne veut pas, nous, on la soigne. Maintenant, sur le plan de sa, son physique et sur le plan de son mental aussi, parce que vous, n'êtes pas sans savoir qu'une femme, une personne battue, elle gagne toujours quelque chose en, mémoire et elle aura toujours peur de la, de la personne qui l'a harcelée. Maintenant, si les femmes acceptent d'aller vers la police, nous les accompagnons. Donc, nous avons en tout cas un partenariat avec la police ici à Niamey. Nous les accompagnons avec un mot Maintenant, donc, on les met dans, la main de la police qui, en tout cas, fait des investigations et au besoin aussi échange avec les femmes pour savoir si vraiment elles ont l'intention de porter plainte ou bien d'autres choses. Si elles, pas, euh, ne veulent pas porter plainte, il y a des moments où on nous les renvoie pour que, en tout cas, qu'il y ait une entente. Donc, on appelle l'agresseur aussi pour demander une, sorte de médiation. De, de, médiation pour échanger avec lui. Maintenant, s'il y a lieu de réparer, on répare. S'il n'y a pas lieu de, on est obligé en tout cas de continuer jusqu'au niveau de la justice. Nous en arrivons à la troisième et dernière partie de ce forum du studio Kalangou qui consiste à proposer des pistes de solutions pour mieux lutter contre les violences à l'égard de la femme. Euh, rapidement, Alzuma euh, Tarawari, vous êtes euh, le chargé du programme au au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Proposez-nous quelques pistes de solutions Bon, les solutions, euh, c'est surtout au niveau, au niveau d'abord euh, des couples, au niveau des familles et au niveau des communautés. Et la meilleure solution pour moi, euh, c'est vraiment les, sensibilisations. Il faut sensibiliser les couples d'abord sur la vie en couple. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui, ont une méconnaissance, en tout cas, des droits et devoirs euh, au sein du, ménage. Et des fois, quand on, a, on ne maîtrise pas cela, c'est ça qui peut aujourd'hui amener certains problèmes entre mari et femme. Quand le mari ne sait pas euh, quels sont les droits qu'elle a sur son épouse et quels sont les devoirs qu'il a aussi vis-à-vis de son épouse et vice-versa, vous voyez, là, ça peut vraiment ouvrir à des, à des problèmes autre chose aussi, les sensibilisations au niveau de la famille. La famille aujourd'hui doit être un soutien, en tout cas pour tous les autres, pour et les hommes et les femmes. Donc la famille doit soutenir. S'il n'y a pas aussi ce soutien, vous voyez, quelque part aussi, c'est ça qui fait en sorte que nous sommes en train de, de mettre au monde ou bien de créer des petits, des, des, des enfants qui vont répertorier aussi ce qu'ils ont vu que les parents sont en train de faire quand ils auront euh, l'âge adulte. Au niveau des communautés aussi, il y a certaines pratiques quand même qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Donc il faut essayer de les revoir. Et ces pratiques-là aussi. Vous pouvez parler de l'excision, par exemple Oui, l'excision, par exemple, et, et bien d'autres choses. Donc c'est des choses aujourd'hui qui n'ont aucun fondement, en tout cas dans notre société. Donc quand on essaie de voir, eh, on peut tout, simplement eh, les mettre de côté et, avancer. Il y a aussi certaines choses aujourd'hui, par exemple, eh, quand on prend la, vie qu'avaient connue nos parents du point de vue social et la vie que nous sommes en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Parce que nous, il y a certains facteurs qui sont venus, en tout cas, envenimer tout simplement la situation entre, entre les couples. Donc, et à cet esprit aussi de solidarité, cet esprit de compréhension aussi qui animait jadis les, gens, qui aujourd'hui a disparu. Donc vous voyez, c'est tout ça là qui crée une tension au sein du couple, au sein de la famille, au sein de la communauté. Et quand ça explose, là vraiment ça, c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose de, vivable. Donc ça crée une situation qu'on ne peut plus en tout cas vivre. Et là c'est ça le, le, plus gros problème. Et autre chose aussi quand on prend par exemple et au niveau, toujours au niveau du couple ou au sein de la famille. Et il faut tenir compte aussi deux fois de l'évolution donc du monde. Quand on évolue, il faut aussi, comme on le dit, on doit évoluer avec le temps. Donc il faut voir ce que jadis peut être accepté, aujourd'hui ça peut ne pas être accepté. Moi aujourd'hui je, je, vois que quand tu prends un exemple d'une famille, il y, a, il, y a, il y a, beaucoup de, de choses qu'un mari peut faire mais il ne le fait pas tout simplement parce qu'il s'est dit que c'est à sa femme de le faire. Alors que s'il le fait lui, ça ne va rien changer, ça ne va qu'agrémenter leurs leur euh, conditions de vie. Donc ça aussi, moi, je pense que c'est des choses qu'il va falloir essayer de voir. Tout ce que je peux faire pour contribuer, pour alléger les tâches à ma femme, pourquoi ne pas les faire Si aujourd'hui, nous avons des enfants et que le matin, je me lève et que je vois que ma femme peut-être est en train de faire euh, autre chose, moi je peux aller aujourd'hui laver mes enfants, les habiller pour qu'ils puissent aller à l'école. C'est des choses que les, hommes peuvent faire. Mais il y a certains hommes qui ne le font pas tout simplement parce qu'ils se disent que ça c'est aux femmes de le faire et la femme on, lui met tout dessus et en fin de compte elle ne peut plus euh, survivre. Aja Halibatou Jido, animatrice au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants victimes de violences familiales. Rapidement, vos propositions de solutions. Bon, nous voulons vraiment mener des, sensibilisations de proximité et dans le temps aussi parce que nous avons euh, remarqué que même les violences, c'est par période. Si vous, avez, vous allez dans les zones rurales, pendant l'hivernage, en tout cas, les femmes sont maltraitées, elles sont battues. Pourquoi Parce que cette femme, il faut qu'elle se réveille à temps, elle fait du bois, et le jour-là, si par malheur la pluie est tombée, en tout cas, pour allumer le feu, ça va être toute une traîne. Et si elle n'amène pas le plat à temps au, champ, en tout cas, de retour à la maison, elle est battue. Donc, nous voulons, en tout cas, voir cet aspect-là. Et pendant, juste à, la récolte, l'homme, il prend une deuxième femme. Et celle-là qui a, en tout cas, qui a commis quelques erreurs durant la période de l'hivernage, on peut, si elle n'a pas la chance, elle peut être mise à la porte. Et bon, si c'est un truc de famille, on peut négocier, l'homme, il peut la laisser, mais avec tous les problèmes qu'elle peut gérer. Maintenant, si vous allez plus loin, pendant la période du soudé, les hommes ne sont plus là, il n'y a que les femmes seulement. Donc, elles ont mangé leur mille qu'on leur a laissé, le petit grain qu'on leur a laissé. Donc, elles viennent ici à Niamey pour faire les bonnes, à police, pour chercher de quoi survivre. Il y en a, elles cherchent dans la journée, le soir, elles retournent. Il y en a qui viennent pour rester, en tout cas durant les trois mois le temps que l'hivernage revienne. Donc on va avoir tous ces facteurs-là, donc on va faire des, on des actions de proximité et par période. Voilà, nous sommes au terme de ce forum de studio Kalangou. Nous étions avec euh, Alzuma Traoré chargé de programme au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales. Hadja Halimatou Jido, animatrice au niveau de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences également. Nous étions en ligne, même si la ligne, la liaison euh, a été un peu interrompue. Nous étions avec euh, Kombari Naloti, il est sociologue. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence de nos 34 radios partenaires avec une autre thématique. Merci, au revoir.